le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du Studio Kalangou, bonsoir et ravi de vous retrouver ce soir sur ce plateau pour le forum du Studio Kalangou, Bakimbo Touré Al-Mustafa à la présentation. Ce soir, dans notre forum, nous allons nous intéresser à la question de la vie des étudiants au campus universitaire, à la cité universitaire de Niamey. Quelles sont les conditions dans lesquelles vivent les étudiants nigériens qui logent sur les cités universitaires, notamment à l'université de Niamey Au Niger, à l'image de certains pays de la sous-région, il y a toujours des étudiants qui vivent au sein des universités dans ce qu'on appelle les cités universitaires. Ces cités abritent des bâtiments dans lesquels logent des, camarades des étudiants filles, mais aussi des garçons. À l'université de Niamey, c'est un ensemble de 13 bâtiments qui logent ces camarades, mais aussi des cités annexes où logent des étudiants. Dans le forum de ce soir, nous allons nous interroger sur des questions comme dans quelles conditions de vie les étudiants vivent dans les cités universitaires, notamment à l'université de Niamey, quel avantage y a-t-il pour les étudiants qui vivent à la cité universitaire, à la cité universitaire de Niamey Quelles sont les difficultés que rencontrent ces étudiants Et nous allons nous poser des questions sur comment améliorer les conditions de vie des étudiants auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs, c'est pour vous apporter des réponses satisfaisantes à toutes ces interrogations posées et à bien d'autres que nous avons invité Mademoiselle Badier Douratou Kadidjatou, qui est la déléguée générale de la commission COSAF, commission des séminaires, ateliers et formations. Bonjour euh, Kadidjatou. Bonjour. Nous avons également avec nous ce soir sur ce plateau M. Euh, Alio Maudé Ismaël, qui est le délégué de la cité Kirkusei. Bonjour Monsieur Ismaël. Bonjour nous avons invité M. Moussa Altinelout, dit Anan, qui est le délégué de la commission bâtiment et salubrité euh, universitaire. Bonjour, M. Euh, Aliou. Bonjour. Nous avons avec nous ce soir M. Saïdou Abdoulaye, qui est le secrétaire administratif euh, du CENU, Centre national des œuvres universitaires. Bonjour, Monsieur Saïd Abdoulaye. Bonjour. Bonjour, euh, bienvenue à toutes et à tous dans ce forum qui s'intéresse aux conditions de vie des étudiants vivant à la cité universitaire de l'université de Niamey. À l'Université Abdoumoun Niamey, on a souvent entendu dans des déclarations des représentants des étudiants nigériens des dénonciations des conditions précaires de vie de l'étudiant à la cité universitaire. Pour commencer euh, notre forum de ce soir, nous allons demander à nos invités qui sont avec nous sur ce plateau de nous dire quels sont les avantages qu'il y a pour les étudiants de vivre à l'université de Niamey. Nous allons débuter nos échanges avec euh, M. Euh, Moussa Lout, Di Anan, qui est le délégué de la commission bâtiment et salubrité universitaire. Et, et je dis, il y a euh, de, nombreux avantages, mhm. et du point de vue académique que du point de vue social. Mhm. Quand vous prenez du point de vue académique, comme je l'ai dit, et il y a des avantages parce que l'étudiant qui vit sur le campus universitaire mhm. n'a pas de difficultés des exercices dans les facultés, sur le campus universitaire, au niveau des bibliothèques, même de la nuit, à n'importe quelle heure il mhm. peut se réunir avec ses amis de section, ses camarades avec lesquels il fait des exercices, ils peuvent partir de les facultés. Même il y a des étudiants qui passent, qui font des nuits blanches de les facultés pour exercer, pour échanger entre eux, mhm. rien que sur l'académie. Alors que l'autre étudiant qui n'est pas sur le campus, il n'a pas cet avantage-là. D'accord, merci, merci Monsieur euh, Moussa Altine Lout, euh, dit Anan, euh, délégué général de la commission bâtiment et salubrité universitaire. Nous allons écouter Mademoiselle Badier Douratou Kadidatou pour qu'elle nous dise, en tant qu'étudiante, quels sont pour les étudiantes, les étudiantes filles, quels sont les avantages de vivre sur les cités, la cité universitaire merci de la parole donnée et merci aussi de nous donner euh, l'occasion de venir parler de notre propre vie parce que nous sommes des étudiants qui vivent sur la, euh, cité universitaire. Mhm. Les avantages euh, de la vie à la cité universitaire pour nous, les camarades filles, que ce soit pour les camarades filles, que ce soit pour les camarades garçons, je pense bien que c'est un peu la même chose. Vu que nous sommes tous venus pour un objectif bien déterminé qui est l'académie, mhm. euh, nous pouvons avoir tout le temps d'aller étudier, que ce soit dans nos, nos, différentes chambres, que ce soit dans les différentes facultés, comme il avait dit, que ce soit dans les différentes bibliothèques que nous avons au niveau de l'université. Nous pouvons passer tout notre temps en train de travailler parce que c'est ce qui nous a amené en première position, donc, euh, du point de vue euh, sécurité, nous sommes vraiment en sécurité. Vu qu'on peut faire la carrière de 21h jusqu'à 3h, 4h du matin, on peut rentrer et, dans sa chambre tranquillement, librement. Contrairement à ceux qui sont en ville, vous ne pouvez pas venir faire la carrière et rentrer à 3 heures du matin ou bien à 2 heures du matin à la maison. Cette sécurité dont vous parlez, euh, qui assure cette sécurité Comment ça s'organise ça, s'organise. Vous connaissez bien que nous avons une structure syndicale qui, qui gère euh, euh, l'université. Donc, à travers les différentes patrouilles des camarades appelés la CASO, qui mhm. assurent vraiment cette sécurité des, des camarades euh, qui vivent au niveau de l'université et même des riverains qui passent souvent dans les différentes voies qui mènent dans les différents quartiers qui sont à côté de l'université. Donc euh, c'est vraiment un peu ça du point de vue euh, social, du point de vue académique aussi. Nous sommes vraiment bien au sein de l'université, même s'il y a certaines difficultés. Comme vous l'avez bien dit, nous allons revenir dessus après. D'accord, merci Kadidatou. Nous allons revenir par rapport à la question des difficultés. Mais avant, nous avons avec nous également ce soir M. Aliou Ismaël, qui est délégué de la cité euh, Kirkusei. Dites-nous quel autre avantage pouvez-vous nous dire par rapport à la vie des étudiants sur la cité, surtout que votre cité, ce n'est pas une cité qui est au sein euh, de, l'université, mais une cité qu'on appelle cité annexe. Mm, d'accord. Donc, euh, une fois de plus, bonjour. Donc, euh, je remercie tout d'abord le studio Kalangou pour l'opportunité qu'il nous offre de pouvoir s'exprimer sur nos conditions de vie et nos conditions d'études. Par rapport aux avantages qu'il y a de vivre sur, une cité universitaire, donc nous avons par exemple la proximité et donc au niveau des amphithéâtres ou bien au niveau euh, de certains services du CNU. Et au-delà de ça aussi, nous avons aussi donc euh, une manière pour, nous de pouvoir peut-être euh, nous exercer, par exemple au niveau de, de certaines facultés. Et au-delà aussi, donc la cité universitaire, c'est c'est une école de la vie sociale quand, lorsque vous êtes au niveau d'une cité-université, vous connaissez ou bien vous apprenez à connaître beaucoup des, camarades qui sont issus de différentes, de différentes régions, euh, euh, euh des différents concrets donc de, de, la nation et pour parfois aussi de certains étudiants qui sont issus de, donc de l'extérieur. Donc euh, concrètement à ces, certains qui sont au niveau de la ville qui n'ont pas accès ou bien qui n'ont pas accès à tous ces avantages. D'accord, donc euh, merci euh, Monsieur euh, Ismaël, délégué, général de la cité Kirkusei, cité annexe aux cités universitaires. Nous allons à présent écouter Monsieur Saïd Abdoulaye, qui est le secrétaire administratif du CENU et qui est avec nous ce soir, mais au téléphone. Dites-nous s'il vous plaît comment vous intervenez au niveau du CENU pour aider ces étudiants à avoir tous ces avantages qu'ils viennent de citer au niveau des cités universitaires. Merci, monsieur Al-Mustafa, et je vous remercie de nous avoir conduits à ce débat. Donc, par rapport à la question en débat, donc la vie des étudiants sur les campus universitaires, il faut préciser que chez nous, effectivement, assure la gestion de 11 bâtiments mhm. donc, euh, et de 5 cités annexes. Mhm. Euh, la capacité d'accueil des infrastructures se situe à 2700 à peu près euh, lits. Mhm. Donc, euh, et comme vous le savez, euh, ils l'ont souligné, cette capacité d'accueil est insuffisante par rapport au nombre euh, des étudiants qui sont à l'université de Niamey. Et mettant que le CNU existe, nous allons continuer à nous occuper de ce qui est, qui est là pour fournir un cadre de vie agréable aux étudiants pouvant leur permettre de mieux faire leurs études. D'accord, merci. Par rapport à, mmh. nos interventions, mmh au niveau du bâtiment, donc nous intervenons euh, au niveau donc, des entretiens techniques en ce qui concerne la question de la de plomberie, euh, l'assainissement, l'électricité. Donc euh, ces aspects-là sont régulièrement assurés pour permettre aux étudiants d'être dans de meilleures conditions de logement. Mmh pouvoir leur permettre de mener à bien leurs études. par ailleurs, il y a aussi d'autres aspects, la restauration. Mm-hmm. Donc, les étudiants qui sont euh, au niveau du campus, ils ont leur restaurant qui est à côté d'eux, donc euh, qui leur sert le plat, trois plats par jour, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner régulièrement. Mhm. donc à un prix eh, conventionné par l'État, puisque nous sommes subventionnés à plus de 80%. D'accord, donc euh, merci Monsieur euh, Saïd Abdoulaye, secrétaire administratif du CENU, Centre national des œuvres universitaires. Nous allons revenir par rapport à cette question que vous venez euh, d'évoquer, les conditions de vie des étudiants qui logent sur les cités universitaires. Donc, cher délégué général de la COBASU, Commission des bâtiments et salubrité universitaire, dites-nous quelles sont les conditions de vie des étudiants qui vivent euh, au niveau de la cité universitaire de Niamey Les conditions de vie de nos camarades sur euh, la cité universitaire, en tout cas en tant que délégué général, le constat que j'ai à faire, qui est d'ailleurs euh, une constatation généralement admise, les étudiants sont dans une sorte de précarité, si je peux le dire. Quand vous regardez l'hébergement au niveau des chambres, je, vous assure, il y a. C'est-à-dire, il est rare de trouver une chambre où vous allez trouver seulement deux étudiants. Ce n'est pas facile. En hmm. tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Et selon les normes, c'est deux étudiants qu'on doit trouver dans chaque chambre Selon les normes, chaque chambre doit contenir deux étudiants parce qu'il y a des lits. Mhm. excepté le bâtiment P, qui est un bâtiment euh, euh, des camarades de filles où il y a trois lits. Mhm. En dehors de ces bâtiments, et le bâtiment M également, mhm. il y a euh, certaines chambres où tu peux trouver jusqu'à 5 ou 6 lits. Mais de l'autre côté, quand vous prenez le bâtiment J ou K pour les garçons et pour les filles, le bâtiment A ou B, dans ces bâtiments, il a été prévu qu'il y ait des, deux étudiants par chambre. Mais force est de constater que jusqu'à preuve du contraire, ce principe n'a jamais existé. Il y a des chambres dans lesquelles vous allez trouver cinq étudiants, six étudiants. Et or, euh, c'est cette question des bâtiments, est-ce qu'il y a d'autres difficultés que vous rencontrez au niveau des cités universitaires Oui, en dehors de ça même, il y a des difficultés parce que quand vous prenez la restauration, même, c'est vrai, la restauration elle est régulière. Euh, les gens, ils ne chôment pas, ils viennent, ils viennent régulièrement, les agents du resto, il y a des prestations qui se font euh, de part et d'autre, mais la qualité, mhm. la qualité du plat mhm. est toujours indésirable. Et comment décrivez-vous cette qualité indésirable C'est-à-dire. Euh, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui n'attend pas, mhm. qui ne répond pas aux attentes des étudiants. Souvent, je vous assure, ça nous donne l'impression que ce n'est pas pour des intellectuels on prépare ça. D'accord, merci. Euh, merci. Euh, nous allons revenir avec mademoiselle Kadidatou euh, Durama, Dites-nous euh, quelles sont, en dehors de ce que vient de nous citer monsieur Anan, dites-nous quelles sont les conditions dans lesquelles vivent surtout les camarades filles sur les cités universitaires. Voilà, merci une fois de plus. Par rapport aux différentes difficultés, il a un peu cité euh, les difficultés, c'est un peu les mêmes, mhm. euh, même si on peut, on peut aussi ajouter le fait que il a dit que souvent on trouve des, des, des camarades qui sont euh, comme si ce sont, ils sont en En fait, dans la chambre, vous allez retrouver quatre camarades dans une même chambre, trois camarades, voire cinq même souvent. Vu que la capacité d'accueil, comme il avait dit, n'est pas vraiment au rendez-vous. Donc, on est obligé de vivre comme ça. Certes, nous sommes en train de vivre comme ça, mais est-ce que les conditions sont réunies pour vivre dans ces cités universitaires? Mm-hmm. Voilà un peu par rapport à ça, par rapport au il a parlé aussi, euh, Monsieur Lessa a parlé de, de, différents, ils assurent euh, euh, les lavabos et autres. Moi, je crois bien que là aussi, ce sont des choses qui sont à revoir parce que vous allez souvent voir des camarades qui sont bloqués dans leur chambre. Les lavabos ne fonctionnent pas. Vous déposez une demande, on vous dit on va traiter la demande. Souvent, vous allez passer 72 heures bloqué dans la chambre, il n'y a pas de, de, comment on appelle ça, le lavabo ne fonctionne pas. Donc, vous êtes obligé d'attendre ou bien et descendre du bâtiment pour partir jusqu'en bas chercher de l'eau ou bien un truc comme ça. Euh, c'est la même chose aussi au niveau des serrures. Mhm. Quand vous avez un problème, on vous dit il faut attendre. Vous ne pouvez pas laisser votre chambre à la merci de tout celui qui rentre dans les bâtiments. Mhm. Vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas seulement ceux qui vivent dans les bâtiments qui sont tout le temps dans les bâtiments. Vous allez voir, il y a certaines qui viennent de la ville, il y a vraiment la sécurité, certes j'ai parlé de la sécurité, mais dans ces conditions, la sécurité elle n'est pas garantie. Il faut au moins revoir peut-être leur manière de faire. Quand il y a un problème de là-bas, bon, il faut peut-être si c'est la matinée, il faut vraiment vite faire pour venir parce qu'on ne sait pas ce que ça peut provoquer comme problème de l'autre côté. C'est un, un, truc de fil. Mhm. C'est un truc de fil. Donc peut-être si ici, ici il y a un problème, certainement ça peut bloquer de l'autre côté, ainsi de suite. D'accord, merci. Merci, mademoiselle Kadidatou. Nous allons, euh, avant de revenir avec monsieur euh, le SA, secrétaire administratif du SENU, monsieur Saïd Abdoulaye, nous allons écouter le délégué de la cité euh, annexe Kirkusei pour qu'il nous dise les conditions dans lesquelles vivent les étudiants au niveau des cités annexes. <laughs> al donc, merci une fois de plus. Vraiment, les conditions de vie et, d'études des camarades au niveau des cités annexes sont déplorables et chaotiques parce que il est à noter ici que il y a des services qui n'assument pas leurs responsabilités. Par exemple, vous prenez le cas de la restauration. Euh, il y a des cités annexes qui, jusqu'à preuve de concret, qui n'ont bénéficié euh, de restauration durant l'année euh, l'année précédente. Donc il n'y a pas eu de transport ou bien d'acheminement de de la bouffe. Maintenant quand vous prenez par exemple, au niveau des, des, chambres, euh, au niveau de, la citerne qui durant toute l'année qui vient de s'écouler, les camarades n'ont pas bénéficié des matelas. Mhm. Des matelas, certains sont obligés de dormir à même le sol. Vous voyez Donc, euh, et, et c'est des matelas qui datent de 5 ans ou bien 6 ans de cela. Mhm. Donc, vous voyez, tout cela, c'est un problème. Maintenant, quand vous prenez le cas, par exemple, de la plomberie, au niveau de la plomberie, il y a des chambres, parce qu'au niveau de certaines cités, c'est des douches internes. Donc il y a des, des, des, des, chambres qui ont des problèmes de plomberie lorsque vous faites de la demande ou bien lorsque vous, vous faites des états généraux des, des, problèmes, vous déposez au niveau des services techniques et il y a une lenteur dans le traitement ou bien il n'y a même pas de traitement. Quand vous prenez aussi au niveau de l'électricité, par exemple, vous prenez une électricité qui est au niveau de, de, de, soit. Donc la cité, elle est un peu isolée. Donc euh, du coup, dans la nuit, il y a l'obscurité. Donc il y a un problème d'électricité. Donc euh, le bâtiment n'est pas électrifié, n'est pas électrifié mhm. et à 90% ou bien peut-être on peut même dire à 50%. Donc euh, tout cela constitue donc un problème pour, le, pour les campagnes pour les camarades. D'accord, merci Monsieur Ismaël Aliou. Nous allons euh, écouter Monsieur le secrétaire administratif euh, du CENU, Monsieur Saïd Abdoulaye, pour qu'il nous dise comment explique-t-il un peu ces difficultés, ces conditions de vie que viennent d'évoquer euh, les étudiants de l'université de Niamey, surtout quand ils disent que ce sont des conditions déplorables et chaotiques, les problèmes des restaurations et aussi ces questions de réclamations dont viennent de citer les étudiants qui n'aboutissent pas rapidement. Merci, Monsieur al Merci. de me donner l'occasion de répondre à un certain nombre de griefs et de constats donc, euh, posés par euh, les étudiants. Et comme vous le savez, il n'est un secret pour personne que le nombre d'étudiants croît chaque année et les besoins se multiplient au quotidien, mais les ressources ne suivent pas. Mhm. Donc il a été souligné effectivement, euh, il y a une insuffisance de la capacité d'accueil. On a souligné les chambres qui sont là, pour deux personnes, on peut en trouver quatre, peut-être même plus. Mhm. Donc, euh, cela est lié à ce problème d'insuffisance des capacités d'accueil où donc euh, les infrastructures ne suivent pas le rythme donc euh, de documentation des étudiants d'année en année. Mais il faut souligner que l'État fait des efforts, hein, mhm. puisque depuis un certain temps, avant avant 2015, il n'y avait pas de cités annexes. Mhm on ne travaille qu'avec le campus universel, donc euh, avec euh, les autorités de la 7e République. Ils ont instruit à ce qu'on des cités annexes pour essayer de soulager les étudiants par rapport au logement. Mhm. Et il y avait eu la construction de deux bâtiments, le bâtiment Wazir et le bâtiment T, pour augmenter la capacité d'accueil. Et actuellement, il y a un projet de, construction aussi de deux cités de 600 places qui est en pipeline au niveau de PPP. Mhm. Et nous, était peut-être euh, la preuve des élections, ce projet allait être lancé. On a même programmé une première date de lancement avec euh, le ministère sortant. Mais malheureusement, avec, euh, comme vous le savez, la preuve des élections, les choses ont pris autre tournure. Mais je suis sûr que le projet existe pour un peu soulager le problème des capacités d'accueil. Mhm. Maintenant, par rapport à nos interventions, mhm il a été effectivement souligné qu'il y a un certain nombre de problèmes liés à l'entretien. Mhm. Comme vous le savez, eh, au niveau du CENI, il y a des services techniques qui s'occupent de ces questions, mais il faut une procédure. C'est une mhm. procédure à respecter. Les étudiants doivent faire leur déclaration par rapport aux, problèmes qu'ils constatent dans leur chambre, mhm. mais généralement, ces étudiants-là ne le font pas, ou bien ils temps avant de le faire. Donc, c'est ce qui explique des fois ce lenteur-là. Mais par rapport à ces conditions, oui. Mhm. Donc, euh, le délégué de Kirkusoy avait parlé qu'on ne euh, leur transporte pas le Flat au niveau de, de mhm. Mais là, il dit au fait qu'ils ne se sont pas manifestés, puisqu'ils savent ils doivent amener leurs tickets au niveau du restaurant pour faire la réservation. On a trois tricycles qui mhm. desservent les cités annexes. Donc, chaque délégué, chaque matin, il amène le nombre de tickets de places dont ils ont besoin au niveau du restaurant, on les ramène. Et mhm. tant qu'ils ne le font pas, on ne peut pas les ramener de plus. Il faut mhm. qu'ils prennent cette disposition. Donc, à vous entendre, il y a une procédure à respecter. Il y a une procédure à respecter. Mhm. Par rapport au matelas, donc, euh, il dit que ça fait un certain moment qu'ils n'ont pas de matelas. Bon, je m'inscris en faux par rapport à ce qu'il dit, puisque je sais que presque tous les, toutes les chambres sont dotées de matelas. Sauf que chaque année, on fait face à un problème. C'est même un fléau chaque année. Au départ des vacances, il y a des étudiants qui plient les matelas pour aller avec. Mhm. Et ça, c'est déplorable. Nous en avons discuté ici aussi, à la cité. Et je salue le, e actuel cette année. Vraiment, ils ont pris des dispositions pour empêcher ce fait. Mhm. Et c'est ça qui crée chaque année des problèmes de manque de matelas eh, au niveau de certaines chambres. Mhm. Vous savez, les matelas sont achetés pour faire un certain nombre de durées de vie. C'est pas chaque année, on ne peut pas accepter des ressources pour acheter des matelas. Ça ne doit pas se faire puisque les ressources sont insuffisantes. On doit s'en occuper. Et d'autres problèmes le plus crucial, tout est l'alimentation, mhm. et qui prend plus de 60 à 70% de notre budget. Et le budget de, du SENU, euh, depuis cette euh, question d'autonomie de gestion du Centre national des œuvres universitaires, est-ce que ça s'estime à combien aujourd'hui Bon, aujourd'hui, pour euh, l'année 2021, mhm. notre budget se chiffre dans les 2 milliards 700. Mhm. Donc, tu dois prendre en charge le volet de la restauration, le transport, le logement, la santé, les services euh, sport et culture. D'accord, merci, monsieur. D'accord, merci, monsieur Saïd Abdoulaye, secrétaire euh, administratif du Centre national des œuvres universitaires à l'Université de Niamey. Nous allons revenir avec nos euh, les étudiants qui sont avec nous sur ce plateau ce soir. Dites-nous quelle réaction avez-vous par rapport à ce que vient de dire le secrétaire administratif du CENU qui fait savoir qu'il y a un non-respect de la procédure de la part des étudiants, mais aussi par rapport au problème des matelas et autres. Il y a des étudiants qui prennent souvent des matelas pour partir avec euh, à la fin de l'année. Est-ce euh, responsable ou bien quelle réaction avez-vous apporté Comment expliquez-vous cet état de fait Ok, je vais apporter des éléments d'éclaircissement par rapport à cela, mais qu'à cela ne tienne, permettez-moi de parler sur euh, quelques deux ou trois points. Mhm. Et par rapport même à la question des cités annexes. Mhm. Mais pourquoi les cités annexes si ce n'est pas que les hommes politiques veulent coûte que coûte rendre et leurs collègues, ou bien je sais pas, par affinité, euh, nos, des hommes politiques, mhm. leurs collègues riches, pour des récompenses politiques. Moi, je ne vois même pas pourquoi la question des ces annexes. Parce qu'à l'université, on a suffisamment de l'espace. Mhm. On a suffisamment de l'espace. L'État louent ces bâtiments-là, euh, quelque chose de 10 millions, je pense bien par mois, ou bien au-delà au -delà de ça même. Je n'ai pas la maîtrise exacte des choses, mais moi, nous, on a contesté ça. Parce que nos camarades qui sont sur les cités, annexes, sont non seulement, euh, ne sont non seulement pas en sécurité, mais aussi, ils sont éloignés et ils ne vont pas bénéficier des mêmes avantages que nous autres. Mhm. Donc, c'est pourquoi nous, on a même remis en cause la question des cités, annexes. Mhm. Si réellement la volonté il y en a. Mhm. Pourquoi ne pas construire sur le campus universel Imaginez, les bâtiments là, mhm. c'était depuis autant de Kunché que plus de la majorité de ces bâtiments ont été construits. Mhm. Donc, euh, je dirais à ce niveau que tous ces régimes qui se sont succédés n'ont pas fourni d'efforts pour renforcer les conditions de vie, euh, euh, les conditions de vie, autant pour moi, on a des étudiants. Mhm. des bâtiments A jusqu'au niveau euh, jusqu'au bâtiment J et K ont été construits à son époque. Mhm. Donc euh, les les syndicalistes populistes qui sont au pouvoir actuellement, les tenants du pouvoir, mhm. je sais est-ce qu'ils ont même construit un bâtiment Le bâtiment N et puis, c'était autant de temps il y a que, que la construction mhm. a commencé. Et c'est eux qui ont réceptionné ça. Mhm. Donc, les gens... Et, qu'en est-il de la question de non-respect de la procédure et euh, autre question dont vient d'évoquer le euh, SA, le secrétaire administratif du CENO Est-ce que les, pourquoi les étudiants Est-ce que c'est parce que les étudiants ne maîtrisent pas cette question de procédure qu'il y a euh, euh cet, état de fait par rapport à la question des réclamations mhm. des de, de, plomberie et d'électricité il est certes vrai qu'il y a des étudiants qui ne, euh, qui ne respectent pas euh, la procédure, mais je vous assure, de la plupart des cas, mhm. les étudiants déposent des réclamations. Mhm. Moi, je sais de quoi je parle. Mhm. Parce que, à plusieurs reprises, j'ai eu des chaudes discussions avec ces agents au niveau du service euh, technique où on fait les réclamations. Il y a des étudiants qui déposent les réclamations pendant deux mois, pendant trois mois. Et, sa réponse. la, réclamation reste insatisfaite. Mm-hmm. Lui, SA, j'ai l'habitude de l'appeler ou bien de les rencontrer dans son bureau pour l'expliquer, pour l'expliquer véritablement les, le comportement peu orthodoxe mm-hmm. de, de, ces agents. Souvent, il les appelle devant moi mm-hmm. pour leur donner, euh, transmettre des instructions. Je vous assure, moi, au tout début, quand j'étais venu en tant que délégué régional il y avait des camarades qui m'ont expliqué qu'ils ont déposé des réclamations pendant plus d'une année. Mhm on n'a pas répondu à les réclamations. D'accord. Donc, merci, monsieur euh, Anan, délégué général de la commission bâtiment et salubrité universitaire. Avant de revenir à certaines questions pour parler des perspectives, nous allons peut-être euh, évoquer la question des soins au niveau de la cité universitaire parce que le secrétaire administratif a fait comprendre qu'ils interviennent également dans le domaine de la santé, la santé de camarades qui dit un nombre important de personnes, des étudiants qui vivent sur les cités. On parlera également de la question euh, des soins. Alors, quelles sont les conditions dans lesquelles se font les prestations euh, du point de vue euh, santé. Bien avant de continuer, permettez-moi de répondre aussi à un certain nombre de points, mhm. parce que euh, moi-même, j'ai parlé du problème des lavabos et autres. Mhm. C'est en connaissance de cause que j'ai évoqué ce problème-là. Mhm. Il Ils nous donnent des procédures. On sait, il y a ceux qui connaissent ces procédures-là et ils suivent les procédures, mais très malheureusement, souvent, on ne répond pas. Vous prenez l'exemple du, bâtiment E. Je suis au bâtiment E. Niveau 1, Mhm. nous n'avons pas de water. Mhm. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas de water Parce que les, les water ne sont pas praticables. Mhm. Et pourtant, nous avons des gens qui sont censés nettoyer ces water-là chaque matin. Mais très malheureusement, aujourd'hui, nous n'avons pas de water au niveau du bâtiment. Là aussi, on doit attendre jusqu'à, je ne sais pas, 2021 pour réparer ces water-là ou bien. En parlant de, de la question de du service sanitaire qui existe au sein de l'université, moi, je vous dirais que j'ai été là-bas à des reprises, mhm. deux fois seulement, mais aujourd'hui, vu le traitement qui m'a été réservé quand j'étais là-bas, je n'ai plus envie de retourner là-bas. Et comment a été ce, traitement Parce que j'étais partie avec une camarade. Mhm. Elle a le palu, j'ai le rhume. Mhm. On nous a donné les mêmes médicaments. Et c'était quoi ces médicaments C'était un médicament de couleur verte. Moi, je ne sais même pas, je ne l'ai pas pris. Je ne l'ai pas pris. On, lui a donné les mêmes médicaments, on m'a donné les mêmes médicaments. Mm. À la sortie, moi, vraiment, j'ai jeté parce que je ne croyais plus en ça. Vu qu'elle, elle n'allait pas, lui, moi, je le rhume. Mm-hmm. Nous, nous avons deux maladies différentes. Euh, on vous a réservé le même traitement. On nous, a, réservé le même traitement. Donc, je me demande, quand j'étais parti, j'ai dit j'ai le rhume. Au moins, peut-être, il faut prendre la température, il faut me demander certaines choses. J'ai juste dit j'ai le rhume, voilà ce qu'on m'a donné. D'accord, merci. Et elle est c'était la même chose. D'accord, merci, mademoiselle Kadijatou, pour euh, votre élément de réponse. Avant de revenir écouter monsieur le secrétaire administratif et euh, le secrétaire administratif du CENU qui est avec nous en ligne, nous allons permettre au délégué général de la cité Kirkusé de nous dire euh, quelles sont les conditions euh, d'accès aux services santé au niveau de ces différentes cités annexes et quelle réaction également a-t-il apporté par rapport à ce qu'a dit euh, le secrétaire administratif du CENU donc, par rapport à ce que le, secrétaire administratif a dit, donc moi je ne peux pas m'inscrire en faux mais quand même, l'honnêteté intellectuelle voudrait que lorsqu'il y a quelque chose, mhm. que vous le dites tel qu'il est, pas parce que vous voulez plaire à quelqu'un. Mhm. Donc, euh, le, secrétaire administratif qui nous écoute, donc euh, moi, je, je, lui demande devant Dieu, devant les hommes, qui nous disent la dernière fois qu'il a mis pied au niveau d'une cité annexe. Ça date de quand Mhm. Ça date de quand Particulièrement la cité Aneskikuse, qui est même proche du campus. N'en mhm. parlons pas des autres cités. Donc, vous ne euh, recevez pas pratiquement la euh, visite des agents du non, Bon, donc euh, moi je lui ai posé une question, donc il va répondre par rapport à mhm. ça. Et en dehors de lui, peut-être d'autres agents ont eu à. D'autres agents, c'est vrai, il y a un superviseur qui est là. Et qui vient de temps à autre, mais ça fait aussi un temps qu'il n'est pas venu. Donc lui, il vient pour venir constater si les gens qui sont censés ramasser les ordures, les déchets, font leur travail. Donc lui-même, ça fait euh, un certain moment qu'il n'est pas venu. Il y a ceux qui sont là pour, euh, parfois nettoyer le bâtiment, et même depuis le départ pour les vacances jusqu'à preuve de concret, jusqu'à présent, ils ne sont pas venus. Donc euh, pour les questions de Matéla, donc moi je pense que c'est un fait réel. Revenons par rapport à la question de santé. La question de Matéla, vous avez évoqué ça et il a donné sa réaction. Donc maintenant, parlons de la question d'accès aux services santé au niveau de ces différents. Donc pour, <laughs> pour l'accès aux, soins des services santé, donc moi je pense que il y a il n'y a, aucune méthode ou bien il n'y a aucune pratique au niveau des cités annexes. Donc, euh, lorsqu'un camarade est malade, nous sommes obligés de le transporter et l'amener au niveau donc euh, euh, de l'infirmerie. Donc, depuis un certain temps, depuis le comité exécutif de CITA, Hamidou Jabiri, nous avons initié une méthode ou bien nous avons fait des propositions selon donc lesquelles il va falloir parfois essayer de voir dans quelle mesure on peut avoir des comprimés, mhm. de poser ça au niveau de chaque cité au cas où il y a des des cas, des, des cas de maladies où on peut immédiatement donc, euh, purger, purger ou bien on peut, on peut intervenir immédiatement. Parce que nous vivons, avec, nous, vivons avec des camarades qui sont de la médecine, c'est de la cinquième, sixième, septième année. Mhm. Donc je pense qu'ils peuvent prescrire ou bien ils peuvent prendre soin de, de ces camarades-là. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été pris en compte jusqu'à présent. Lorsque un camarade est malade, la dernière fois, je me rappelle, on était obligé de prendre un camarade à 3 heures du matin mhm. pour l'amener au niveau donc, de l'infirmerie. Et malheureusement, nous sommes allés à l'infirmerie, il était obligé de s'évanouir et continuer avec lui. Donc, hmm. euh, euh, il n'y a pas au niveau de la cité annexe un service qui peut prendre en charge les camarades quand ils tombent. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, je ne sais pas, jusqu'à preuve de concret, il n'y en a pas. Au, niveau de la cité annexe, il n'y a pas. Mhm. Il a pas. Nous avons voulu faire, donc, euh, au niveau de chaque année, de chaque cité annexe, nous avons proposé de mettre des kits santé. Mhm. Des kits santé qui vont parfois permettre aux camarades, lorsqu'ils sont malades, de pouvoir un peu évacuer leur petite maladie ou bien Oh, si c'est des petites maladies, par exemple les maux de tête, les maux de ventre, tout ça. D'accord. Mm. Donc, merci, monsieur Ismaël, délégué général de la cité Kirkusé Avant d'écouter le SA, nous allons permettre à Anand de dire un mot par rapport à cette situation. Que pensez-vous de ce que vient de dire monsieur Ismaël quant, euh, à l'accès aux soins au niveau des cités annexes Et par rapport à la question euh, sanitaire, et voilà l'un des inconvénients. Mhm. que je dis que nos camarades ne doivent pas être isolés de de l'État ou, disons évidemment de, notre endroit central parce mm. que nous considérons la cité universitaire comme étant un endroit central. Ils sont exposés et ils ne sont pas aussi en sécurité. Même si la personne est malade, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a mm-hmm. pas de véhicule pour évacuer la personne. Mm. Donc c'est des normes ingées mm. que nos camarades traversent euh, là-bas. Mm-hmm. Nous, c'est pourquoi nous proposons à ce qu'il y ait des nouvelles constructions mhm. sur les sols universitaires afin de permettre à tous les étudiants de vivre. Donc, en avant de venir à ces questions de propositions que nous allons faire, les perspectives, c'est-à-dire nous allons écouter M. Euh, monsieur le SA, secrétaire administratif euh, du CENU, pour qu'il nous dise qu'il est avec nous en ligne, pour qu'il nous dise comment explique-t-il euh, l'état de fait que viennent d'évoquer les étudiants de l'université de Niamey, notamment par rapport à l'accès aux soins, aux services de soins qu'ils dont il euh, dénonce vraiment euh, l'État, mais aussi par rapport à l'éloignement de certains cités annexes qui n'ont pas accès à, tous ces services. monsieur al bonjour. Merci. Je euh, de me donner la possibilité de m'exprimer sur cette question. Mhm. Effectivement, comme il l'a souligné, nous avons un centre donc, de, santé universitaire mhm et qui assure les premiers soins donc aux étudiants et au personnel administratif, donc les PAT. Mhm. Ce n'est pas euh, un centre spécialisé, comme je l'ai dit, il offre les premiers soins. Nous mhm. avons une ambulance au niveau de ce centre. Mhm. On a à peu près 11, 11 agents qui assurent donc, euh, donc le euh, travail au niveau de ce centre jour et nuit, donc, puisque nous, faisons la permanence, compte tenu du fait que au niveau de la cité, on a un monde plus de à peu près plus de 2000 personnes. Donc, euh, il faut nécessairement qu'il y ait ce centre pour mmh. prendre en des questions urgentes. Et par rapport aux produits, donc, ce euh, c'est qu'a souligné mademoiselle, bon, je ne peux pas lui dire que ce n'est pas vrai ou c'est pas, c'est faux. Mais tout de même, nous, nous savons administrativement ce que nous sommes en train de faire en termes d'approvisionnement en produits pharmaceutiques au niveau du centre pêcheux. Et qu'est-ce que vous faites, monsieur le SA 30 millions de produits, ils le savent. On a un magasin dans le CE de temps à autre, visite pour voir mhm. les quantités de produits qui sont stockés et qui sont utilisés au profit des étudiants. Mhm. Si elle le dit, bon, là, je ne suis pas, je pas, je ne peux pas lui dire qu'elle ment, puisque de temps à autre, je reconnais qu'il peut y avoir des ruptures, mais pas des ruptures permanentes. Mhm. Mais quand même, nous faisons l'essentiel. Nous avons vraiment tous les produits qu'il faut pour euh, assurer donc leur santé. Mhm. Et nous intervenons quotidiennement, nuit et jour, pour le faire. Donc, monsieur le SA, secrétaire administratif du CENU, quand nous avons écouté le délégué général de la COBASU, Commission des bâtiments et salubrités universitaires, il nous a fait comprendre que la question des cités annexes, c'est une situation que eux, ils ne veulent pas pour leurs camarades. Et puis, ils pensent que c'est pour vraiment euh, faire profiter certains hommes politiques. quelle réaction avez-vous par rapport à cette question Bon, et vous savez, les cités annexes, comme je l'ai dit, et on les a euh, pris en location il y a de cela 5 ans, sur instruction du Premier ministre. Uh-huh. Et avant, ça n'existait pas. Ça existait bien avant que ça ait été supprimé, mais compte tenu du fait que les étudiants ont posé le problème de la capacité d'accueil et que l'État d'immédiat ne peut pas donc construire ces bâtiments, uh-huh. il avait instruit le ministère, et pour qu'on puisse prendre en location ces cités annexes pour soulager le problème de logement. D'accord, donc, monsieur le... Maintenant, dire ah. que que c'est pour euh, faire euh, euh, profiter les hommes politiques. Là, je, ne pense pas, puisque on n'a pas choisi ces, ces à la tête des personnes. Non, on a cherché des, des, infrastructures capables de prendre au maximum un grand nombre d'étudiants. C'est pour cela on ne s'est pas préoccupé à qui ça appartient. L'essentiel pour nous, que ça puisse vraiment hébergé un grand nombre d'étudiants. On n'a pas tenu compte de la couleur politique. D'accord. Je dois aussi me prononcer par rapport à ce que euh, le délégué qui soit dit. Mhm. Effectivement, je, pousse son idée. Nous mhm. n'avons pas vraiment des dispositions qui ont été prises par rapport à, à ces cités du point de vue sanitaire. Mhm. la -hmm. Il a d'un kit santé. Donc, euh, je vais devoir donc transmettre euh, cette proposition au niveau des services concernés pour voir la, faisabilité de sa proposition. D'accord. Donc, euh, monsieur euh, le SA secrétaire administratif euh, du CENU, nous sommes presque à la fin de notre émission de ce soir et avant de quitter nos auditeurs et chers téléspectateurs, nous aimerions que vous nous dites en termes de perspectives pour améliorer les conditions de vie d'études des étudiants sur les cités universitaires, quelle analyse allez-vous nous proposer Donc, en termes de perspectives, mhm. actuellement, comme je l'ai indiqué, du point de vue de la capacité d'accueil, et nous sommes euh, en pourparlers avec euh, le gouvernement pour qu'il nous dote davantage des, des infrastructures d'accueil. Et cette question a été prise au, niveau du gouvernement, à un niveau très élevé, même au niveau de la primature. Uh-huh. Ils sont en train de de, créer les conditions pour pouvoir nous construire deux bâtiments de 600 places. Uh-huh. Cela nous permettra quand même de soulager le problème de logement et peut-être euh, d'aller vers la suppression des, cités annexes qui ne font pas le cadre idéal pour permettre aux étudiants de pouvoir avoir les conditions qu'il faut pour pouvoir étudier. par ailleurs, je dois aussi dire que euh, le problème de ce logement-là nous a amené à renforcer notre capacité et euh, à pouvoir transporter les étudiants qui sont majoritairement en ville Mhm. avec plus de 24 bûches. Donc, mhm. ils font la navette au niveau des différents quartiers de 6h30 à 20h mhm. pour pouvoir quand même euh, créer les conditions aux étudiants de pouvoir accéder au, niveau des cours. Et ça aussi, euh, le CNU se bat jour et nuit pour pouvoir assurer cette, euh, Navette. Eh, cette prestation-là. D'accord. Merci, monsieur le secrétaire administratif eh, du CENU, eh, pour cette analyse en termes de perspective. Nous allons revenir avec les étudiants qui sont avec nous sur ce plateau ce soir. Dites-nous comment améliorer le cadre de vie des étudiants qui sont sur la cité universitaire. Nous sommes presque à la fin. Commençons par le délégué général de la cité, Kirkusse. <laughs> Donc, euh, moi, <laughs> ce que je veux dire, mhm. euh, c'est d'abord euh, appeler à la responsabilité de tout un chacun, mhm. appeler à la responsabilité du gouvernement, appeler à la responsabilité des, des, administrateurs au niveau du CNU et appeler aussi à la, responsabilité donc, des étudiants. Mhm. Donc, euh, moi, je pense que c'est à partir de cela que nous pouvons pouvoir améliorer notre cadre de vie et pouvoir aspirer à de meilleures conditions de vie. Mhm. Donc je pense qu'il doit aussi y avoir, comme le secrétaire euh, administrateur a dit, euh, la construction des, des bâtiments pour pouvoir accueillir plus de camarades. Parce qu'il y a des camarades qui sont au niveau de la ville qui ont aussi envie de venir loger au niveau des cités annexes parce que nous savons très bien et euh, les conditions de vie parfois au niveau des villes et aussi pouvoir supprimer aussi les, cités annexes parce que moi je pense que quand vous prenez le cas de la cité annexe francophonie, elle est tellement éloignée donc de, de, l'université. Donc il va falloir, par exemple, supprimer ces gens de cité pour pouvoir ramener les camarades au niveau donc euh, de, de, l'université. Mhm. Aussi au niveau du, du transport aussi, essayer d'améliorer aussi les conditions au niveau du transport parce que jusqu'à preuve de concret, les conditions au niveau euh, du service de transport sont aussi déplorables. D'accord. Merci. le secrétaire administratif a parlé de 24 bus, mais c'est largement mhm. insuffisant. D'accord. Merci. Peut-être la question des transports des camarades, nous allons revenir dans un autre forum. Permettez à, euh, aux autres invités de dire un mot par rapport à la question des perspectives. Mhm. Écoutons d'abord euh, mademoiselle Kadidatou Douratou avant de revenir à monsieur Anna. Moi, ce que j'ai à proposer, c'est que ces mêmes personnes puissent prendre vraiment leurs responsabilités en main. Euh, monsieur le a parlé de, on ne peut pas prendre des décisions, on ne peut pas avoir de solutions immédiates par rapport à nos différentes revendications, c'est-à-dire la question des, des, des, cités annexes dont il a, il a parlé. On n'a pas parlé de, l'immédiat, mhm. mais immédiat c'est depuis. Les cités annexes là existaient depuis. S'ils avaient au moins commencé peut-être même si dans l'année on pose 50 briques, chaque, année on pose 50 briques, moi je sais que cette année on mhm. allait au moins avoir un bâtiment qui est à notre disposition. Mhm. Il faut aussi prendre en compte des différentes propositions des camarades. Parce que j'ai l'habitude de le dire, il n'y a que celui qui vit dans un caniveau pour savoir la vie qu'il est en train d'endurer mhm. et aussi amener des solutions à ces problèmes. Vraiment, c'est ce que nous, nous avons vraiment à proposer, à leur proposer. Parce que on a constaté que eh, dans ces services-là, tout le monde est patron. Mhm. Donc, il faut vraiment eh, qu'on sente qu'il y a la hiérarchie. Il faut qu'on sente qu'il y a la hiérarchie. Quand vous appelez un tel, un tel va faire ceci, il doit suivre. Parce que vous êtes son patron. Mais il ne faut pas qu'on sente que dans un service, que tout le monde est patron. D'accord, merci. Nous avons compris, mademoiselle <laughs> Kadidatou. Nous allons permettre à monsieur Anan, délégué général de la commission bâtiments et salubrités universitaire de nous dire en termes de perspective en quelques minutes, parce que nous sommes à la fin de notre émission, quelle perspective a-t-il à proposer Les perspectives que j'ai à soumettre comme proposition, mhm. en premier lieu, il faut que les gens nourrissent et la bonne volonté parce qu'on a compris dans toute cette histoire, c'est la bonne volonté qui manque. Les gens là, qui, les tenants du pouvoir là, ils avaient à leur époque, chaque camarade avait une chambre à lui seul. Ils ont étudié dans les conditions les meilleures. Ils avaient tout leur à leur disposition ils avaient tout. Mais cette fois-ci, ils n'ont pas la volonté d'investir. Il y a un problème d'investissement qui est là. Et même au niveau d'ici nous il y a un manque de volonté. Mais est-ce que le fait qu'ils avaient une chambre par étudiant n'était pas lié au fait qu'il n'y avait pas un nombre grand, important d'étudiants à l'époque mais de plus, le nombre augmente, les moyens augmentent. On mhm. doit investir conformément au nombre mhm. d'étudiants. Mais mhm. ils ne le font pas. Ils, ils les, euh, les nombres d'étudiants mhm. augmente et ils refusent d'investir pour qu'il y ait des nouvelles constructions. Donc la question des cités annexes là, mhm. moi je dis que c'est une question politique. SA ne veut pas de ça et je l'ai dit, je réitéré. réitère. Mhm. Parce qu'il y a plus de 5 ans, les gens ont refusé de construire sur le, territoire universitaire. Alors qu'on a vu récemment, Radisson a été construit dans combien de mois D'accord. Donc, il a merci, eu des Merci, merci, monsieur euh, Moussa Altini Anan, euh, dit Anan. Nous, allons, nous sommes presque à la fin. Nous sommes à la fin de notre émission. Mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du studio Kalangou qui nous a permis d'échanger sur la question de comment vivent les étudiants qui logent sur le campus universitaire de, de l'université de Niamey. Nous avons retenu dans ce forum qu'il faudrait faire un appel à la prise de responsabilité de tout un chacun et les administrateurs, les étudiants, mais aussi l'État, le gouvernement doivent prendre les responsabilités en main pour améliorer les conditions, le cadre de vie des étudiants qui logent sur les cités universitaires. Nous avons retenu qu'il faudrait également créer les conditions d'investir conformément aux besoins des étudiants parce que plus le nombre augmente, plus les besoins augmentent. Donc il faudrait qu'il y ait une conformité entre l'offre et la demande. En espérant que le forum vous a permis d'avoir des réponses satisfaisantes aux questions que vous vous posez quotidiennement, nous vous disons merci pour avoir été avec nous ce soir pour le forum du studio Kalangu, des forums qui sont diffusés à travers nos 46 radios partenaires et 6 télévisions partenaires dont 5 à et une à Zender. Nous étions dans ce forum en compagnie de M. Moussa Altene Lout Di Anan, qui est délégué général de la commission bâtiment et liberté universitaire, Nous étions avec mademoiselle Badie Douratou Kadidatou, qui est la DG du COSAF, euh, de la commission COSAF, commission des séminaires et ateliers de formation. Nous étions également en compagnie de messieurs Aliou Maudé Ismaël, qui est le délégué général de la cité annexe Kirkusé. Nous avons été également, nous étions, nous sommes avec Monsieur le SA, secrétaire administratif du SENU, qui est Saïdou Abdoulaye. Merci à toutes et à tous. Présentation du forum Bakim Batour Al-Mustafa, régie technique Abdelkader Tchimbiano et à la régie vidéo Mustafa Ayouba. Merci, chers invités, et à bientôt pour un autre forum sur de nouvelles thématiques d'actualité.